le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Seni Yubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 MHz, Amphani FM 100 MHz et Kwarategi 90.9 MHz. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Tirozerine, Magaria, Soroa Tamaské, Bouza, Dolbel, Saï, Walam, Dogondouti, Madawa, Dakoro, Tanout, Kabalewa et Notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le forum de ce soir aborde la problématique de la mobilisation et de la valorisation des eaux de ruissellement au Niger. Les inondations de 2012 qui ont considérablement endommagé les infrastructures et les logements dans les villes, les villages et les périmètres irrigués le long du fleuve Niger et de la komadougou et causé des dégâts importants, 16 430 ménages sinistrés, soit 547 521 personnes affectées, dont 102 pertes en vies humaines, ainsi que des milliers d'hectares de terres de culture. restent encore gravés dans les mémoires collectives. Les dégâts produits par les eaux de pluie sont énormes et constituent une menace pour les populations. Cela mérite des réflexions poussées autour de l'exploitation que l'homme pourrait y faire de ces eaux de ruissellement et donc transformer de façon positive leurs effets sur les hommes et sur l'environnement. L'eau est une ressource vitale indispensable à la vie. Elle constitue un bien précieux et nécessaire à tous les écosystèmes. C'est pourquoi l'un des principaux défis auxquels se heurtent la plupart des pays en général et le Niger en particulier en matière de lutte pour le développement économique et social est la gestion de l'eau. Les eaux de ruissellement représentent un important potentiel hydrique renouvelable. En Tunisie, par exemple, pour la mobilisation et la valorisation de ces eaux de ruissellement, ainsi que pour la lutte anti-érosive. On utilise divers ouvrages de petite hydraulique traditionnelle et modernes ainsi que des ouvrages de moyenne hydraulique servant à l'irrigation des périmètres avoisinants, afin de trouver les solutions adéquates pour améliorer les différentes techniques traditionnelles et modernes de collecte des eaux de ruissellement. Des recherches ont été entreprises et ont permis de concevoir et de mettre au point de nouvelles techniques et méthodes. Parmi ces nouvelles techniques et méthodes, il y a la technique d'irrigation souterraine localisée par poche en pierre enterrée pour l'arboriculture fruitière et forestière ou encore la technique d'irrigation souterraine localisée par poche en paille. Pour discuter de cette thématique, nous invités dans ce studio, Mohamed Mohamedou, il est de la direction hydrologique à la direction des ressources en eau au ministère de l'hydraulique. Mohamed Amadou, bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être l'invité du forum du studio Kalangou. Le deuxième invité est M. Idrissa Younoussa, directeur de la mobilisation des eaux à la direction générale du génie rural au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Monsieur Idrissa bonsoir. Bonsoir, Monsieur Saini. Merci d'avoir accepté donc d'être euh, l'invité aussi de ce forum du studio Kalangou. Le troisième invité qui n'est pas encore là est Monsieur Hassan moukela que nous attendions donc incessamment. Il est personne ressource, ancien membre de la Fédération des maraîchers. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Avant de rentrer dans le vif du sujet, monsieur, dites-nous brièvement en quoi consiste votre travail au niveau de vos services respectifs. Monsieur Idriss Ayonsa. Merci, monsieur Saini. Euh, merci euh, au studio Kalangou de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser à la population nigérienne pour le euh, faire savoir quelles sont les politiques en matière de gestion de l'eau, et particulièrement de la mobilisation des eaux pour l'agriculture en ce qui nous concerne au niveau du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Effectivement, euh, je suis le directeur de la mobilisation des eaux au niveau de la Direction générale du génie rural, ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. À ce titre, euh, cette direction a pour mission de mettre en œuvre toutes les politiques nationales en matière de mobilisation des eaux pour la mettre à la disposition de l'agriculture irriguée. Et comme vous le savez aujourd'hui, toute la politique du gouvernement, et en, particulier dans le cadre du programme de renaissance, le volet mobilisation des eaux occupe une place prépondérante, en ce sens que euh, le président de la République veut développer l'irrigation pour booster la production agricole au Niger et pouvoir justement lutter contre l'insécurité alimentaire. Et c'est dans ce sens que euh, la mission de, la direction de la mobilisation des eaux est de pouvoir faire en sorte de retenir cette importante quantité d'eau de ruissellement que nous perdons. Nous avons plus de 30 milliards de mètres cubes d'eau qui se perdent chaque année au Niger. Vous avez parlé de la Tunisie qui a à peu près 85% de maîtrise de l'eau de ruissellement. Nous, nous sommes à peine à 2,5%. Alors, le rôle de, la direction de la mobilisation de l'eau est d'augmenter ce taux pour permettre de mettre à la disposition des superficies qui sont aménagées pour l'irrigation, de disposer suffisamment d'eau partout dans le pays. Mohamed Mohamedou, quel est le travail de la direction de l'hydrologie Merci, Monsieur Seni. Euh, étant à la direction de l'hydrologie, euh, notre travail en fait consiste à l'application de la politique nationale en matière de connaissances et de gestion des ressources en eau de surface. la direction aussi assure la gestion du réseau hydrométrique national. Euh, on rassemble, on analyse, on traite et on stocke toutes les données, et informations relatives aux ressources en eau de surface. on assure aussi l'élaboration et la publication des informations périodiques sur la situation des ressources en eau de surface à l'échelle du territoire national. Euh, on contribue à la gestion du réseau hydrométrique en liaison avec les autres institutions nationales, à savoir la météo par exemple. on participe à la promotion de la gestion intégrée des ressources en eau sur toute l'étendue du territoire national. mon prédécesseur a parlé aussi de, la fuite de la perte d'eau là qu'on ne maîtrise pas, plus de 30 milliards de mètres cubes qu'on n'arrive pas à maîtriser. Et ça, c'est une réalité. On aura l'occasion d'en parler. Euh, entre autres aussi, on élabore le budget d'investissement en matière de connaissances et de ressources en eau et on coordonne les projets au programme placés sous la tutelle de la direction. Et pour finir aussi, je dirais qu'on élabore aussi des programmes d'activités ainsi que des rapports trimestriels, semestriels et des activités de la direction au sein du ministère de l'hydraulique et de la D'accord, merci. Idriss Younoussa, à présent, expliquez-nous c'est quoi la mobilisation des eaux de ruissellement et comment procède on à leur valorisation. On peut dire que la mobilisation des eaux, c'est l'action de pouvoir maîtriser cette eau. Et pour pouvoir maîtriser cette eau, il faut développer et mettre en place des techniques qui permettent à l'eau d'être stockée ou de l'épandre ou de la faire infiltrer. Les trois possibilités existent. Soit on fait l'épandage, soit on stocke, soit nous infiltrons. Donc voilà le, le, principe de la mobilisation de l'eau. Il y a également euh, l'autre principe qu'il ne faut pas oublier pour les eaux. Euh, lorsqu'il s'agit d'entreprendre l'irrigation, on parle de mobilisation de l'eau. Lorsque vous, vous, allez extraire l'eau de sa position initiale pour la transférer vers les cultures. En ce moment, on le fait par pompage, donc on parle de mobilisation de l'eau par le pompage, donc on prend l'eau du fleuve ou de la nappe pour pouvoir l'acheminer vers les cultures. En ce moment, on parle d'une mobilisation de l'eau. Mais je pense que nous, nous, nous parlons surtout de comment est-ce que nous mobilisons l'eau de ruissellement. Et donc, ce sont ces trois premières techniques que je viens de citer qu'on applique actuellement. Alors, comment valoriser cette eau Au niveau du ministère actuel élevage, l'objectif pour nous, c'est de pouvoir accroître les productions agro-silvopastorales halieutiques. Agricole, l'objectif est de pouvoir mettre à la disposition de terres de l'eau pour permettre leur irrigation. Pastorale, pour permettre non seulement de développer des cultures fourragères, mais également de mettre à la disposition du cheptel de l'eau d'abreuvement. Nous savons que le Niger dispose d'un nombre important d'animaux il faudrait, en saison sèche, dans tous les recoins du Niger, disposer de points d'eau pour que justement ce cheptel puisse s'abreuver. Sylvicole, parce que également, nous devons faire en sorte que nos zones protégées puissent disposer d'humidité pour que justement les espèces qui s'y trouvent puissent s'épanouir, puissent se développer et entretenir ainsi euh, le peuplement dont nous disposons et lutter contre euh, la désertification. Halieutique, parce que également, nous savons que le poisson est très important pour nous. Et donc, euh, partout où nous avons des retenues, il faudrait voir dans quelle mesure de lutter à l'agréable. Il ne faut pas laisser, parce que vous savez qu'au Niger, l'évaporation est trop, trop importante. Donc, le temps que quand même ce plan d'eau va s'évaporer, il est extrêmement important de mettre du poisson dedans pour que justement la population, à un moment donné de l'année, puisse exploiter ce poisson mm. et qu'il y ait une, grande, une bonne source de, de, de nourriture pour cette population. La valorisation des eaux, des eaux mobilisées va dans l'agriculture, dans l'élevage et justement dans la, euh, dans la pisciculture. Et aujourd'hui, toutes les retenues d'eau qui sont, qui sont présentes au Niger sont, sont aujourd'hui valorisées je ne dirais pas tout, 100%, non. Euh, mais vous savez, la politique du gouvernement, et je crois que c'est une, une, bonne vision, c'était de dire d'abord, les eaux que nous perdons, il, faudrait il faut faire en sorte que nous ne les perdons plus. Ah il faut que nous maîtrisons ces eaux de ruissellement. Et vous savez, euh, lorsqu'il y a l'eau, il y a la vie. Et donc, euh, dès qu'il y a l'eau, forcément, la population va s'y installer. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un, va s'installer quelque part. Dès qu'il y a l'eau, il va s'installer. Absolument. Et donc, c'est ça quand même, c'est une bonne vision. Donc, du coup, tous les points d'eau qui sont créés sont d'office mis en valeur, sont d'office exploités. C'est pour cela que je ne veux pas dire 100%, parce que certains de nos points d'eau, on les a réalisés, mais euh, avec le temps, ils, se sont dégradés, donc ils ne sont pas assez fonctionnels. En tout cas, euh, j'allais dire 80% de nos points d'eau sont actuellement mis en valeur. Et on a à peu près combien Alors, aujourd'hui, nous comptons autour de 500 ouvrages, sans compter naturellement les points d'eau, euh, les puits, les forages. Hein. Je parle de ce qu'on appelle communément les mini-barrages ou les petits barrages et les seuils. Nous sommes autour de 500, un peu plus de 500 ouvrages qui nous ont permis de mobiliser autour de un peu plus de 700 millions de mètres cubes. Et c'est pour ça que je disais tantôt qu'on a 2,5% seulement sur les 30 milliards. D'accord. Voilà. Mohamed, quel est le rôle de votre direction justement dans le cadre de la mobilisation et la valorisation des eaux de ruissellement Là tout à l'heure, là quand on avait commencé, j'avais un peu énuméré eh, les attributions de notre direction. Donc en réalité, en fait, en termes de mobilisation de ressources, eh, la direction en fait ne, fait pas des ouvrages techniques spéciales pour la retenue en fait de cette, de cette eau pluviale. Là tout à l'heure. Eh, Monsieur Idriss avait cité des ouvrages que, le ministère de l'élevage et de l'agriculture ont exécutés et sont en train d'exécuter. Ces, ouvrages-là permettent en fait la rétention de ces eaux fluviales. Mais nous, à notre niveau, en fait, on gère plus le, suivi et la gestion de cette eau, l'observation. Donc, quand il y a des points d'eau qui sont réalisés, votre rôle, c'est de, suivre l'état de cette eau, c'est cela Exactement. Et là aussi, on ne suit pas actuellement tous les points d'eau existants. les 500 ouvrages, l'environ 500 ouvrages en fait réalisés par le ministère de l'élevage et de l'agriculture, euh, je ne dirais pas que la moitié est suivie, mais un grand nombre est, suivi. On s'intéresse plus en fait à la partie du fleuve, ses affluents et les grands autres grands cours d'eau, à savoir le lac, le Magia et puis tout ce qui est le Goulbi de Maradi. Qu'est-ce que vous faites exactement justement au niveau de ces, grands lacs, des, affluents du fleuve Et Du fleuve, ok, merci. On collecte les, données. Les données, en fait, c'est l'évolution de ce cours d'eau-là pendant l'année hydrologique. En fait, la montée des eaux et la, baisse de ces eaux. Euh, parce que ça, il faudrait savoir que quand on prend ces données, ça permet euh, d'alerter la population en cas d'inondation. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est ce qu'on est en train de vivre. Les données qu'on récolte tout le long du fleuve de ces affluents, on transmet ça, on traite, on analyse et on transmet à l'ABN, une institution sous-régionale. Et si vous avez bien écouté toute la semaine, là, à la télé, à la radio, il y a ah eu des événements d'inondation à Niamey. Et ces données-là permettent d'élaborer des bulletins d'information qu'on alerte et la population nigérienne et les autres pays membres de la BN. Dans le même ordre d'idées, on fait le suivi pour savoir connaître en fait la quantité d'eau qui occupe euh, selon l'année hydrologique par, bassin versant. À titre d'exemple, euh, ici à la station de Niamey, l'année passée, on a perdu, il y a, dirait pas on a perdu, mais il y a eu à peu près 33 milliards de mètres cubes qui a écoulé ici à la station de Niamey, à titre d'exemple. Quels sont vos rapports avec euh, la direction de M. Idrissa Les ministres travaillent ensemble de l'élaboration des différents schémas, des différents plans d'aménagement. Ils travaillent ensemble. Il y a toujours le comité qui travaille ensemble dans l'élaboration de ces différents euh, schémas, directeurs, des plans d'action et de tous les projets concernant les ressources à nous. Monsieur Idrissa, on revient à vous. Vous parlez tantôt de 30 milliards de mètres cubes d'eau par an qui partent comme ça ici, ici au Niger. Est-ce que les eaux de pluie sont mobilisées au, Niger Si oui, comment et pourquoi J'avais dit tantôt effectivement qu'il y a 30 milliards, d'ailleurs plus d'ailleurs, 30 hein, milliards de mètres cubes pour ne rien dire en fait, qui, se perdent comme ça. Euh, depuis depuis euh, des années 60 jusqu'à maintenant, les différents gouvernements qui sont succédés se sont attelés justement à, mobiliser ces eaux. Et, c'est pour cela d'ailleurs, depuis, euh, j'allais dire, jusqu'à 2011, nous étions autour de 200 à 300 ouvrages. D'accord Entre, et je vous ai dit qu'actuellement nous sommes un peu plus de 500. Entre 2015, entre 2011 et maintenant, nous avons réalisé un peu plus de 300 ouvrages aussi. Ça veut dire que ça démontre à quel point euh, les gouvernements prennent conscience de la nécessité de mettre l'accent sur les ouvrages de mobilisation de l'eau. Mieux, le gouvernement, autour de 2005, l'État du Niger s'est doté d'une stratégie nationale de développement de l'irrigation et de collecte des eaux de ruissellement. C'est une stratégie nationale qui existe et qui est assortie d'un plan d'action qui dit comment on doit on doit mobiliser ces eaux de les eaux de ruissellement. En 2015, l'État du Niger a adopté, le gouvernement du Niger a adopté, le 10 avril 2015, euh, avec précision, la stratégie de la petite irrigation au Niger. Et dans cette stratégie, il y a tout ce qui est ouvrage de mobilisation d'eau, notamment les seuils et les mini-barrages dont nous connaissons. C'est pour dire à quel point le gouvernement s'intéresse véritablement à la mobilisation des eaux. Dans le cadre du programme de renaissance, le président de la République a promis de réaliser ou de réhabiliter entre 2016 et 2021 997 ouvrages de mobilisation de l'eau, pour lesquels, aujourd'hui que je vous parle, il y a 514 qui ont de leur financement acquis. Nous en avons déjà réalisé sur les deux ans 77 il reste 483 dont le financement, on est en train de rechercher le financement. Le gouvernement est en train de s'activer pour chercher le financement. Et Inch'Allah, nous pensons que euh, avec nos partenaires, nous allons trouver ce financement-là. Donc, aujourd'hui, les eaux de pluie au Niger, je ne dirais pas que les eaux de pluie sont mobilisées, mais des eaux de pluie sont mobilisées. Il y a une nuance. Parce que, au moins, des efforts sont en train d'être faits. Le Niger est vaste. Le Niger fait quand même 1 267 000 km. Et, et vous avez sept bassins d'irrigation au Niger. Si vous prenez même Kandaji, vous voyez que pour réaliser le barrage de Kandaji, le nombre d'années que nous avons mis, hein, donc pour faire les, ces ouvrages, coûtent cher. Un barrage, un, petit barrage, ça va coûter autour de 600 millions à 1 milliard 200 en moyenne. Sinon, il y a des barrages qui coûtent 3 milliards. Nous venons de faire la réception définitive du barrage de Tegelegel qui nous a coûté 4 milliards. Il y a un autre barrage qui est en projet qui fait 4 milliards aussi. Il y a le barrage de Didamagaji qui fait 1 milliard 600. C'est pour dire à quel point ces ouvrages, pour un pays comme le nôtre, mettre 1 milliard d'un coup dans un ouvrage, ça coûte cher. Mais quand on sait pourquoi on le fait, ce n'est pas beaucoup. Mais nous ne disposons pas nous-mêmes des ressources pour le mettre. Donc il faudrait créer toujours des projets intégrés à l'intérieur desquels, justement, on, met ces ouvrages. D'ailleurs, euh, il y a un projet qui est terminé en 2014, le PVDT, le projet valorisation des eaux de ruissellement dans les régions de dosso Il y a eu un projet à Tawa, projet mobilisation des eaux de ruissellement de Tawa, le projet PADAS, qui était un projet similaire à Zender. Actuellement, il y a le projet PEMERSA, qui est le projet de mobilisation des eaux de ruissellement pour la sécurité alimentaire dans les régions de Maradi, Tawa et Zender. Je peux citer des tant de projets comme ça que l'État de Niger a mis en œuvre avec des partenaires comme la BAD, la BOAD, la Banque mondiale. Donc, nous avons quand même mobilisé les eaux. mais il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour cela d'ailleurs que le président de la République s'est donné l'objectif ambitieux de réaliser ou de réhabiliter 997 ouvrages en 5 ans. Je vous ai dit que depuis les années de indépendances jusqu'en 2011, nous avons autour de 200, 250 ouvrages. Mais en, en 5 ans, le président s'est donné un objectif de réaliser ou de réhabiliter 997 ouvrages. Je crois que c'est pour montrer à quel point lui-même, il sait que c'est très important de faire cette activité. Et en 5 il avait réhabilité peu En fait, de 2016, de 2011 à 2015, on a réalisé un peu plus de 200, 286 ouvrages. Et quand on ajoute ce qu'on a fait maintenant, les 77, c'est pour ça que je vous parlais de plus de, 500. 500. Voilà. Parce qu'en 2016 et maintenant, nous avons réalisé 77, en plus des 284 qu'on a réalisés dans le quinquennat passé. D'accord. Donc, voilà, en termes clairs, c'est pour ça que nous avons dit, nous avons mobilisé des eaux de ruissellement, mais quand on connaît le volume que nous avons, et quand on sait par exemple dans les pays voisins comme la Tunisie, où ils ont une maîtrise de plus de 80, plus de 80% des eaux de ruissellement, nous, nous sommes à environ 2,5%. D'ailleurs, en 2011, nous étions seulement à 1% de mobilisation. Des eaux. Et maintenant, nous sommes à quand même 2,5%. 2,5% de maîtrise des eaux sur 30 milliards de mètres cubes, c'est assez insuffisant, on, on, peut le dire. Mais aujourd'hui, comment mieux maîtriser ces eaux de pluie pour réduire l'effet de l'érosion et de l'inondation Alors, pour pouvoir maîtriser ça, je pense qu'aujourd'hui, la population du Niger est bien informée. La population le sait. Nous sommes obligés de continuer ou d'accélérer ce que nous avons commencé. Nous avons commencé. C'est et c'est même pour cela d'ailleurs qu'il y a eu spécialement au ministère de l'Actuel Élevage une direction spécifique de la mobilisation des eaux. À l'époque, il y avait plutôt la direction de l'aménagement des terres, de l'irrigation, de la mobilisation des eaux et l'irrigation. C'est une seule direction. Mais compte tenu de l'importance de, de, de, de, ce domaine-là, cette direction a été divisée en deux pour créer la direction de la mobilisation des eaux, une direction qui s'occupe exclusivement de cette activité. Alors, c'est pour dire que l'idée est d'accélérer ce que nous sommes en train de faire. Hmm. Il faut développer des ouvrages anti-érosifs. Nécessairement. Il faut traiter tous nos plateaux. Parce que l'idée aussi, il ne faut pas oublier, ce n'est pas de faire l'ouvrage de mobilisation de l'eau, mais c'est de le protéger. Et nous savons tous que le fleuve Niger, on le sait, il y a l'ensablement qui menace notre fleuve. Les retenues que nous avons réalisées dans les années des incendies comme Ibo sont ensablées. Moulela est ensablé. Aujourd'hui, l'aménagement de Koni, qui fait 2600 hectares, qui est irrigué à partir des barrages de Zongo et Mosaïe, et qui font une fierté du pays, qui font plus de, plus de 20 millions de mètres cubes, qui sont mobilisés là-bas. Aujourd'hui, ces, ces, retenues sont menacées. C'est pour ça d'ailleurs que euh, l'aménagement de Kony aujourd'hui, au-delà des aspects techniques au niveau de l'aménagement même, il y a cette contrainte liée à, la, quantité d'eau mobilisée, compte tenu, non pas parce que l'ouvrage ne tient pas, mais compte tenu de l'ensablement de la cuvette. Donc, il faut traiter les plateaux et les versants pour que, pour retenir l'eau et surtout casser la violence de l'eau, afin que nous puissions justement faire en sorte que les retenues qui sont dans les, vallées, les bas-fonds, puissent s'inscrire dans la durabilité. Il faut aussi réaliser des ouvrages dans les bas-fonds qui permettent justement de collecter l'eau et de les faire, faire infiltrer cette eau dans les nappes. Parce que ce n'est pas toutes les eaux qu'il faut stocker. Il y a des endroits où ce n'est pas la peine de chercher à stocker. Hmm. Il s'agit simplement de chercher à, à faire infiltrer l'eau. Et donc, il faut faire des ouvrages dans les bas-fonds et dans les vallées pour pouvoir infiltrer l'eau. Il faut également, dans les vallées, justement, et les bas-fonds, réaliser des seuils pour faire l'épandage et garantir également l'infiltration. Et enfin, il faut réaliser des barrages. J'aime pas trop utiliser le terme barrage parce que <laughs> euh, j'avoue que quand on compare barrage avec euh, les autres pays, euh, c'est vraiment des petits barrages que nous faisons. C'est des petits. J'allais dire des retenues collinaires continuer à réaliser des retenues collinaires partout où cela est possible. Et Dieu seul sait. Aujourd'hui, nous avons dénombré plus de 1000, 1000 sites potentiels pour recevoir des, retenues. Et c'est extrêmement important. Nous devons continuer et même accélérer ce processus-là pour que, justement, euh, nous puissions faire en sorte de protéger nos terres, mais d'éviter, ou en tout cas de limiter les inondations. On pourrait revenir, vous avez parlé de l'inondation de 2012, demander aux gens de l'hydraulique et nous travaillons ensemble justement pour, euh, surtout dans le plan d'action nationale pour la gestion intégrée des ressources en eau. Nous disposons de ce pangir et nous travaillons ensemble pour que les eaux puissent être gérées de manière rassurante afin que tous nos ouvrages, toute cette eau puisse être euh, puissent être envoyés dans des directions qui soient rentables pour la population. Et vous allez voir que les, inondations de 2012, en grande partie ces inondations, vous savez pourquoi il y a eu ça C'est vrai, il a beaucoup plu à Niamey, mais ce qui a créé ça, c'est la Serba qui a créé les inondations de Niamey. D'accord, Monsieur Drissa. Limiter les inondations, la direction de l'hydrologie. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur cette question, effectivement Limiter l'inondation. Oui. Mon prédécesseur a dit. A tout dit. Mais néanmoins, en fait, la collecte, il faudrait comprendre que la collecte des données qu'on est en train de faire, en fait, elle, elle sert de, de prévention, de prévention. Le dernier point dont le directeur a parlé, c'était le cas de la SRIVA. La SRIVA, actuellement, à la on a, on a un observateur pour la collecte des données sur place et on a un appareil de transmission automatique. En fait, ces appareils et ces observateurs-là nous collectent les données et nous informent une pluie, une grosse pluie qui tombe à la Sriba, elle met 48 heures pour venir à Niamey. Du coup, nous, si on a la hauteur qu'on sait que c'est un volume important qui doit venir, on informe en fait euh, les autorités compétentes. Il y a un système qui est là, qui est mis en place par le gouvernement, qui s'occupe, il y a un ministère déjà dédié euh, à l'action humanitaire, à la gestion des catastrophes c'est une chaîne, en fait, on informe qui de droit par ordre hiérarchique jusqu'à la montée au plus haut niveau. Et là, les gens suivent l'évolution. Ça, c'est le cas juste de la Serba. Et ça, c'est pareil sur tous les grands affluents et dans le grand bassin du Niger. Parce que une, il, faut, comprendre que le qui vient à Niamey, elle quitte, la Guinée pour venir ici à Niamey. Et là, maintenant, avec les institutions partenaires telles que la BN, la Grimette, on a l'évolution de cette eau-là quand ça arrive. Et rien que, rien qu'en connaissant l'évolution et l'importance, la quantité de l'eau qui peut arriver et qu'on forme un système déjà mis en place par l'État, ça permet de prévenir, de prendre, de mettre en garde la population. À titre d'exemple, rien que dans la semaine, le lundi, le fleuve a atteint son pic, qu'on était à 5,96 m. La population a été informée. Une réunion a été tenue au cabinet du Premier ministre. Et dès le lendemain, la population, une population de la zone inondable a été déplacée. Ça, c'est à titre d'exemple. D'accord. Alors, une fois que euh, la direction de l'IRISA ou bien le ministère de la Culture réalise des, des retenues d'eau, qu'est-ce que votre direction fait Elle a quel travail sur, sur ces retenues d'eau il faut comprendre qu'en termes de retenue d'eau, en fait, l'objectif diffère. Le foyer des retenues d'eau, du fois, il a bien cité, il y a des retenues d'eau qui permettent de recharger des nappes. Ah Ces dans ce cas des retenues d'eau, en fait, on met des, appareils piezo pour suivre l'évolution de cette nappe-là. Est-ce qu'elle est rechargée ou pas C'est pareil aussi pour les retenues, pour l'irrigation ou l'utilisation de la contre-saison. Ça aussi, on met des, des appareils pour mesurer en fait la quantité d'eau qui rentre dans, dans cette retenue-là. Est-ce que c'est possible pour vous de, de, savoir si, par exemple, sur un terrain, quand on fait une retenue, euh, ce sol est capable de maintenir cette eau jusqu'à une certaine euh, durée, peut-être jusqu'à la fin de la saison sèche jusqu'au retour de la saison de la pluie Ok, ça c'est pas, c'est plutôt une question à à Monsieur, à Monsieur Idrissa. parce que bien avant la création de tout ouvrage, en fait, il y a des études qui sont faites dans ce sens. Malheureusement, ce n'est pas du domaine du ministère de l'hydraulique. Oh, Idrissa va répondre. Ok. Non, je, voulais juste préciser que, en fait, c'est une question juste de restructuration hein, au niveau du. La direction générale du Général était d'ailleurs logée au ministère de l'hydraulique. Oui. Hein, d'accord Donc, euh, il y n'y a pratiquement pas de différence entre le ministère de l'hydraulique et le ministère du, et la, la direction générale. D'accord Donc, euh, et d'ailleurs, j'allais dire, à travers le PANGIR, justement, on a créé le PANGIR pour qu'on ait une gestion intégrée. Euh, c'est vrai, nous faisons des retenues, mais dans tous les cas, on dit bien la direction générale des ressources en nom au ministère de l'hydraulique. cette direction s'occupe de toutes les eaux du Niger, toutes les eaux, peu importe que, qui la mobilisait, elle s'occupe de toutes les eaux. Maintenant, la question dans la gestion soit on applique les textes, soit on n'applique pas les textes. Ça, c'est un autre problème. Mais véritablement, ils sont, la Direction générale des ressources en eau essaie de prendre en compte toutes les ressources en eau du Niger. Mm. Dès qu'on mobilise de l'eau, les eaux souterraines, même les eaux qu'on ne voit pas, eux, ils les voient, ils les, mm. comptabilisent. Mais euh, euh, juste pour dire, lorsqu'on réalise un ouvrage, il faut le suivre. Et c'est pour cela que d'ailleurs, nous, euh, dans le budget national, l'État a accepté de mettre, d'inscrire une ligne, une ligne qui s'appelle suivi des comportements des ouvrages. L'objectif est de suivre chaque année comment est-ce que chaque ouvrage se comporte. Naturellement, on ne va pas aller sur tous les ouvrages, on va, compte tenu de nos ressources, nous allons prioriser dans chaque région les ouvrages que nous mmh. allons suivre. Et je peux vous dire, cette année, il y a eu de l'argent qui a été même envoyé dans les régions pour que justement les, services techniques puissent suivre. Mieux, nous avons, euh, dans le cadre de certains projets intégrés, nous avons eu à signer des conventions tripartites entre la Direction générale des ressources en eau, la Direction générale du junior et le projet en question pour justement le suivi des ouvrages, et des nappes. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs, je peux citer le projet de petite irrigation Roamou qui est terminé et qui a été remplacé maintenant par le, projet de développement de l'agriculture familiale. Dans ce cadre-là, il, a été, il a été renforcé le dispositif de piezomètre qui existe dans le pays. Et il l'a dit, les piézomètres, c'est ça qui permet de donner les statistiques en matière de, de, comportement des nappes dans chaque zone. Et connaissant ce dispositif-là, nous pourrons facilement réaliser des ouvrages pour des aménagements et même pour la population. Tant que vous ne disposez pas de ça, vous voulez réaliser un ouvrage, vous ne savez pas. Si vous voulez réaliser un forage, vous ne savez pas à quelle profondeur il faut le faire. Et là, ça pose un problème. Comme c'est des travaux, c'est un coût. Donc, véritablement, ils jouent un rôle important parce que c'est eux qui sont chargés de suivre tout ce réseau de piézomètres, traiter les, données et pouvoir dire dans cette zone-là, lorsqu'il y a une étude, on peut aller chez eux, prendre ces données et dire ah oui, dans cette zone-là, la, nappe va jusqu'à telle profondeur et qu'on euh, peut irriguer ou bien on peut pomper jusqu'à telle telle quantité sans pouvoir avoir vraiment des problèmes sur la ressource. Parce qu'il faut aussi protéger la ressource. On ne peut pas pomper, au-delà d'une certaine, certaine, quantité par jour. Donc, ça, c'est eux qui doivent nous donner ces conseils-là. Et nous, nous faisons les aménagements pour la valorisation de ces eaux-là. C'est à eux de nous dire, attention ici, vous ne pouvez pas faire au-delà de ça. Parce qu'il faut le protéger, il ne faut pas aussi qu'on le gaspille alors qu'il y a les générations futures. Donc, véritablement, euh, on, travaille, on travaille ensemble, en particulier maintenant où nous avons le Pangir, nous sommes obligés d'être ensemble. Ça veut dire qu'indirectement, ils ont un rôle sur cette question de maîtrise. Absolument. Et absolument. La preuve d'ailleurs, lorsque euh, euh, nous préparons euh, l'initiative, la nouvelle version du plan d'action de l'initiative 3N 2016-2015, le groupe maîtrise de l'eau est piloté par la DGGR, mais il y a la direction, le, ministère de l'Udon qui s'est représenté dedans en plein. Hein. On a beaucoup travaillé ensemble. Et mieux, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'aspects euh, que nous avons mis, notamment les points d'eau. Les points d'eau pour même l'alimentation qui se trouve dans ce taxe-là. D'accord. Comment les plans d'aménagement des villes et les plans d'occupation des sols peuvent contribuer à la maîtrise des eaux de ruissellement alors, euh, cette question, c'est vrai, c'est une question un peu colle, mais bon, euh, j'allais dire, les plans d'aménagement, le premier principe, lorsqu'on fait un plan d'aménagement, et malheureusement, c'est ce que nous constatons dans beaucoup de nos villes. Et ce n'est pas seulement au Niger, hein, mm. dans beaucoup de villes africaines, les gens ont tendance à lotir les émissaires naturels. Je parle de, cours d'eau naturel. C'est les zones, c'est des zones de déplacement ou d'écoulement des eaux. Vous ne pouvez pas aller construire dans ces zones. Quand vous construisez, ça veut dire que vous dites à l'eau de dévier de deux choses l'une. Ou bien l'eau détruit votre habitation pour passer, ou bien l'eau dévie, et quand l'eau dévie, c'est pour entrer dans les habitations des autres. C'est comme ça. Donc, premier principe, les plans d'aménagement doivent faire en sorte que on, ne construise pas dans les émissaires naturels. Deuxième chose, il faut quand même éviter l'imperméabilisation à outrance. Vous savez, quand vous imperméabilisez une ville, euh, toutes les eaux qui tombent ne s'infiltrent pas parce que, or, dans le principe même hydrologique, toujours il y a une partie de l'eau qui ruisselle, une partie qui s'infiltre et une partie qui s'évapore. Mais l'autre partie est gardée par les plantes, les, les, feuilles des plantes. Mais si vous, vous avez empêché qu'il y ait l'infiltration, ça veut dire que là, le pourcentage qui devait s'infiltrer, ce pourcentage-là, va commencer à ruisseler. Et si ça ruisselle, mais ben, c'est fini. ça veut dire qu'il y a une quantité supplémentaire d'eau qui vient, qui n'était pas prévue, qui devait s'infiltrer. Et ça, c'est dangereux. Donc, il faut éviter d'imperméabiliser à outrance. Et même si vous imperméabilisez, le plan d'aménagement doit en conséquence prévoir des, dispositifs qui permettent de recevoir ce surplus d'eau qui ne va pas s'infiltrer. Et si vous ne l'avez pas, j'ai confiance en nos, en nos services. Je, suis certain que dans le plan d'aménagement, ils ont prévu tout ça. Mais c'est dans la mise en œuvre que le problème se pose. Souvent, moi j'ai vu euh, euh, sur un aménagement que je ne donne pas le nom, mais les gens ont loti tout un quartier, tout un bloc qui appartient à l'aménagement, un bloc d'aménagement, ça veut dire que c'est déjà dans cette zone, il est prévu que l'eau vienne là-bas. Mais vous, vous partez mettre des parcelles. Ça veut dire quoi C'est un problème. Et, ici, à Niamey, on voit des endroits où on, est en train de lotir qu'on ne devait pas lotir. Et donc, le plan d'aménagement, lui, je suis convaincu qu'il est bon, mais c'est dans la mise en œuvre qu'on fait autre chose. Parce que ça arrange des gens. Bon, on fait comme ça. D'accord. Mohamed, qu'est-ce que vous, allez, vous, avez à dire par rapport à ça À ajouter. Oui. Euh, l'urbanisation diminue en fait l'emprise en fait d'infiltration. Et du coup, tout eau qui ne, qui s'infiltre pas, en fait, elle, euh, elle ruisselle. Et dès qu'elle ruisselle, en fait, elle va ailleurs pour créer un cours d'eau. Et le problème, en fait, c'est que tant qu'il n'y a pas d'ouvrage adéquat pour la permettre de ruisseler, et de la stocker là où elle se doit. Du coup, elle va, elle va aller quelque part et elle va causer un dégât. Ça, c'est clair. Euh, elle a son, son chemin naturel qui est là. L'urbanisme vient, en fait, il, il euh, dénature ce chemin-là, sans prévoir un accès, un accès à cette eau-là pour ruisseler et l'amener quelque part pour la stocker en vue d'une utilisation ou d'une gestion meilleure. Et du coup, et va ailleurs pour créer un cours d'eau et pour faire des dégâts. Donc maintenant, l'idée, c'est de faire des aménagements adéquats et de poursuivre en fait euh, le suivi pour la réalisation de ces aménagements a des études en fait adéquates. D'accord. En l'introduction de ce forum, je parlais des, techniques traditionnelles et modernes de collecte des eaux de, de, de euh, notamment en Tunisie. Justement, dans, dans le cadre de la réalisation de ces techniques, est-ce que vous avez un avis à donner En fait, les techniques traditionnelles et modernes, ça, c'est les techniques qu'on voit avec nos, nos partenaires les autres, des autres ministères avec lesquels on travaille c'est la création de, ces ouvrages-là qui permettrait de retenir tous les eaux. Euh, sinon, nous, à notre niveau, on ne crée pas d'ouvrage pour retenir cette, eau. donc c'est à titre de, rappel. Mais nos partenaires, tels que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en font beaucoup d'ouvrages. Donc c'est ces ouvrages-là, les, les seuils, les barrages, et d'autres petits ouvrages aussi traditionnels que nos paysans ont l'habitude de faire depuis l'ancien temps pour retenir en fait comme ils ont des connaissances empiriques. D'accord. Monsieur Idrissa, pour valoriser les eaux du ruissellement et permettre aux producteurs agricoles, aux éleveurs, euh, vous avez entendu, je le disais, vous le savez aussi, l'exemple de la Tunisie. Au Niger, qu'est-ce qui a été fait exactement sur ces questions de, de technique Ok, mais avant de répondre à mm. cette question, j'aimerais quand même répondre à la question que vous avez posée à Mamadou, parce que c'est une question qui, qui revient en réalité à nous. Euh, euh, euh, les techniques, c'est les techniques traditionnelles, ce sont les techniques traditionnelles que vous connaissez. Hein. C'est les ouvrages anti qui constituent un important, une importante gamme d'ouvrages de collecte des eaux. On connaît les banquettes, les demi-lunes, les, tickets, étiquettes, les cordons pieux, il y en a plusieurs. Il y a les seuils d'écritage. J'avais dit qu'au niveau des versants, il faut casser la vitesse de l'eau. Il y a les petits barrages, il y a les seuils d'épandage, il y a les barrages. C'est ça les techniques. C'est ça les techniques qu'on utilise. Pour revenir à votre question, ce que vous avez dit, j'avoue que c'est exactement ce qui se fait au Niger. Il n'y a pas une différence. Mieux, mais par contre, ce qui se fait en Tunisie, c'est qu'il y a un, et même d'ailleurs au Maroc, il y a un système de transfert. C'est-à-dire, si à, Agadez on fait un barrage, ils ont la possibilité de transférer l'eau à Ottawa s'il y a un problème d'eau dans les barrages de d'Ottawa. Les barrages sont interconnectés. Mais eux, ce ne sont pas des, petites retenues, hein. c'est des grands barrages, en fait. C'est des gros barrages qui cumulent des milliards de mètres cubes. Donc, ils font les barrages sont interconnectés. On peut faire le transfert de l'eau d'un barrage à un autre. Ça, ce n'est pas encore fait au Niger. Mais les techniques, les méthodes pour collecter les eaux sont les mêmes. Mieux, je crois que c'est au Niger d'ailleurs, euh, dans les années 80, jusqu'en jusqu j'allais dire même dans les années 90, vous avez le projet, le fameux projet Kaita. C'est dans ce projet que toutes ces techniques ont été développées, notamment tout ce qui est d'une banquette autre a été développé dans ce projet qui a c'est un projet phare qui a été mis en œuvre par le Niger, la FAO, la coopération italienne, et aujourd'hui qui, qui, fait office d'école dans tous les pays d'ailleurs. Donc, le, oh, oh, Niger, qu'est-ce que nous avons, nous, avons prévu actuellement dans les politiques je vous avais déjà dit que nous disposons de plus de 500 ouvrages de mobilisation d'eau qui nous ont permis de mobiliser plus de 700 millions de mètres cubes. Mais dans le cas du programme de renaissance, je vous avais aussi dit que le président a prévu de réaliser ou de réhabiliter 997 ouvrages de mobilisation d'eau, toutes catégories confondues, mais sans les ouvrages anti-érosifs. Il s'agit des barrages, il s'agit des seuils, il s'agit des ouvrages de contrôle des mares parce que dans la région de Difa, ce sont déjà d'ouvrages que nous réalisons. On ne peut pas réaliser des seuils. N'est-ce pas Vous avez les aménagements des mares, les mares qui sont là. Il faut faire en sorte que ces mares-là soient. On cherche à les rendre permanents. N'est-ce pas Et puis, en plus de ça, il y a ce volet euh, bassin de rétention. L'idée est de réaliser des bassins pour assurer de l'irrigation de compléments dans les champs de culture pluviale, c'est-à-dire les champs de mille. En cas de poche de sécheresse, il faut sauver ce qu'on peut sauver. Il s'agit de réaliser des bassins qui permettent justement de, faire de l'irrigation de compléments et de, de sauver les cultures en cas de sécheresse. Donc, c'est ça que le Niger a prévu actuellement en termes de mobilisation de jusqu'à l'horizon 2021. Mais à l'intérieur de des autres stratégies, notamment la stratégie de la petite irrigation. Là-bas également, cette stratégie qui a commencé réellement en 2016, il est prévu dans son plan d'action de réaliser plus de 300 ouvrages de mobilisation d'eau. Mais naturellement, la stratégie en elle-même n'est pas un projet. C'est à travers les projets et programmes que ces ouvrages seront réalisés. Donc voilà ce que, ce que j'allais, j'allais dire. Et j'avais informé que dans les 997, vous avez actuellement 514 dont le financement est acquis, il n'y a pas de problème, on va les réaliser, et 483 dont le financement est en cours de recherche. Il faut donc retenir que le Niger mobilise et valorise des eaux de ruissellement sur 30 milliards de mètres cubes d'eau chaque année les actions mises en œuvre par l'État du Niger permettent d'exploiter environ 700 millions de mètres cubes d'eau. Cependant, beaucoup reste encore à faire pour mieux maîtriser ces eaux de ruissellement. Nous sommes donc au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu comme invité dans ce studio Mohamed Mohamadou, de la direction de l'hydrologie à la direction générale des ressources en eau au ministère de l'hydraulique et M. Idrissa Younsa, directeur euh, général de la mobilisation des eaux à la, au ministère, euh, donc à la direction générale du général, au ministère de l'Agriculture. Mesdames, Messieurs, euh, je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangou demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.